Monsieur le Président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs les collaborateurs des ministres, mes très chers collègues, Monsieur le Président, je voudrais d'abord saluer le ministre, le féliciter, l'encourager pour le travail qu'il fait. On dit que le ministre il ngi féliciter le ki mais qui ko dit compétence mon am vision ni qui soyons cohérents dans nos déclarations un de mes collègues tout à l'heure a dit que au niveau des prévisions des recettes le Sénégal n'a jamais atteint ses objectifs en 2019 on était à 2661,6 milliards contre 2005,6 milliards en 2018 soit une hausse de 555,6. Jamais réalisée. Hausse parce que c'est 277 il faut que les gens disent « nafar lan mooy recette au Sénégal fan le jugé à Un de mes collègues de Teki tout à l'heure disait qu'il a écrit un livre sur l'économie. C'est une économie dépassée. Le pays avance. Aujourd'hui, nous une une nouvelle technologie technologies. livre vous livre parce que fait, dépassé c'était un excellent économiste parce qu'il a été un conseiller du premier ministre Khaouma Diouf ou pas mais aujourd'hui il est dépassé c'est pourquoi quand il parle ici souvent euh, c'est comme il somnole on a une économie dynamique dirigée par des compétents des hommes compétents comme Moustapha et son équipe avec une vision du président de la République Macky Sall qui est un ingénieur géologue xam nga Sénégal il faut que ñu xam ne fii ñëpp am yar ñëpp mën lépp il faut que ñu que le terrorisme intellectuel bi ñu fi bëgg a def ak pensée unique mënul nekk gis ngeen ay affaire troisième mandat deuxième quinquennat yeggaguñ ci keroog président de la république bi mu waree dem def lancement des cartes dafa dem permanence su partem def lancement carte gis nga ce pouvoir qu'on a là ñun foruñu ko dé on s'est battu dem ci dëkk yi à un comité wax ak sénégalais un programme yoonu yokkute fekk fi document de réduction avec la pauvreté Nous avons xalaat def plan Sénégal émergent pour dem 2035 gis nga que su jotee ñun on verra sur le terrain ce nekk ki le maintenant on parle ici de budget on parle de budget li débat d'orientation budgétaire mais quand on parle de considération générale c'est comme débat d'orientation budgétaire, mon cher collègue de Yembel. L'année dernière, quand on parlait euh, du débat d'orientation budgétaire, les, opposants les opposants, les, les leaders de Yéwi, ils étaient des députés. Ousmane Sonko, euh, Aïdembo, Détchefal, ils étaient là à l'Assemblée, mais ils parce que ça ne les intéresse pas. Ça ne les intéresse pas. C'est pourquoi Mac Doutogne, mon collègue de Teki, qui m'a dit que je

mangi len di sante di len geureum ta ngeen xamne fi nañ nañu wax waxu budget bi objectifu rewmi Emergence, émergence bi fi am li nga xamne ñing koy def pour dëkk bi avancer ak résilience bi nga xamanteni nii moom résilience économique bi nga xamne monsieur le ministre mom le président de la république am li ci dess nak sur le plan politique savez que lu jot yomb gis nga li fi ñu jaaroon ak yeen ba gagné len fofu la ñuy jaaraar ak ba gagné len maa ngi leen di len geureum merci euh, chers collègues, la parole à Tcherno Diop.